20 février 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger, chers auditeurs du Niger sur Kalangou. Très ravi de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes en compagnie de Rabien Meikano et Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment vas-tu ce matin Je me porte bien Rabi, nous avons quoi au programme de ce matin bon, Comme d'habitude, nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdo consacrée à la santé, le reportage région qui nous mènera à Agadez où nous danserons au rythme du Tandé. Sans oublier la page sport et le loti de l'équipe femme du studio Kalangou. Restez câblés dans quelques, quelques instants, vous suivrez un entretien avec Madame Hajara Abbasa, directrice de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant du département de Madawa, région d'Etawa. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans nos techniciens, notre équipe rédactionnelle, nos correspondants, nos réseaux de, notre réseau de radio partenaires. Bonjour à tous. Un gros coucou à Issa Laoli, à la technique et à Rahila Toussoumana et Adam qui assurent l'édition. On est paré pour une heure d'aventure radiophonique c'est parti bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes avec Rafika Taher pour le flash d'information. Bonjour. Bonjour Rafika. Bonjour les filles. Comment vous allez ce matin Ça, va, bien. Alors, le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, a demandé hier à ses militants siégeants de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale de se retirer sans délai. Et ce, en vue d'apprécier les propos tenus par le président de la COLDEF la semaine dernière en disant que son institution est à pied de pour arracher légalement les dossiers pendant venant devant la justice. Le Saman a également mis en garde le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie contre le risque de crise institutionnelle majeure si cette grave déclaration venait à être mise en œuvre. Ça créerait une insécurité juridique et judiciaire pour nos citoyens. Aujourd'hui, 20 février, est célébrée la journée mondiale dédiée à la justice sociale. La thématique de cette année est surmonter les obstacles et libérer les opportunités pour la justice sociale. Instituée par les Nations Unies en 2007, cette journée souligne l'aspiration commune à construire un monde où l'égalité, la dignité et les droits de tous sont respectés. Elle souligne aussi l'importance cruciale de la justice sociale pour la paix et la sécurité internationale. Et enfin, hors de nos frontières en Guinée, le président, le, le président, le général Mamadi Doumbouya a dissous par décret le gouvernement mis en place en juillet 2022. L'annonce a été faite à la télévision nationale guinéenne hier 19 février 2024. La junte n'a donné aucune raison à la dissolution du gouvernement ni donné de date pour en annoncer un nouveau. Les secrétaires généraux des différents départements ministériels vont assurer la gestion des affaires courantes. Pour rappel, le général Doumbouya a pris le pouvoir voire en fin septembre 2021. Elle a consenti à rendre la place à des, des civils élus d'ici fin 2024, le temps de mener de profondes réformes. C'est tout pour le flash d'information de ce matin. Merci bien Rafika, à très bientôt. Alors, quelle est la situation de la jeune fille dans le département de Madawa La réponse dans cet entretien avec Madame Hajra Abbas, elle est la directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Lors d'un reportage dans la région de Tawa, notre porteur d'image Assoumana Aboubakar l'a rencontrée. En attendant Rabi, nous allons souffler un peu, ça sera du reggae avec les titres Unité des Adams Junior. የውሙና ትኪን ወ ኮሎኒያሊዝም አላቱመይጎ ገባጉሞያ Neharemo crisi economica Inakiraga people African Suzomuhi abundance if damu woyoi Mi USA of Africans États-Unis de l'Amérique la Burkina, avec la démocratie, chers auditeurs et auditrices, c'est le titre Unité, un morceau plein de sens chanté par Aboubacar Gaba Adamou, alias Adams Junior. Adams Junior a été l'un des premiers réglemans nigériens. Ses chansons comme Sauver la femme, c'est la mère de l'humanité, Zinaria, Unité nationale sont devenues cultes dans le pays. Avant son départ pour les États-Unis d'Amérique, Adams faisait partie de ceux qui luttaient avec leur talent pour franchir les frontières à la musique nigérienne. Adams était tout simplement pétri de talent, mais rappelé à Dieu il y a 15 ans de cela. le titre Unité nationale d'Adams Junior. Repartons avec l'entretien du jour. Eh oui, Rabi, le mariage des enfants et la délinquance juvénile sont entre autres les problématiques à prise en charge par la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Selon la directrice Madame Hajara Abbas, plusieurs facteurs sont à la base de cette situation délicate à des jeunes filles. Et le micro de Asman Aboubakar. To, arman gaggawa ana kiran mu so da yawa balle shekarun gadai shekara ga da ta wuce na samu adal misali arman gaggawa wajen shirin hakan ga da ake kira na na ajiya ne mahuta ya ne kamata su yi ina kiran su in kiro su nan mu zamna mu tattauna mu ji menene matsala in ana iya ciyo kan matsala kuma muna kwatanta mu uwaye da arman gaggawa yana da illoli da bai kamata ba amma yara arman gaggawa jikinsu bai yi kwari ba kwa ina kwatanta musu kuma da illoli gare shi masu yawa kuma bisa ga wannan gwamnati ya ɗauki matakai da yawa ne in ba tsaye da wannan ba sannan kuma sai cin zarafi da ake shi ma na biyu na aman kankanta saboda cikin karkara muna zuwa tare da prefe muna waye kai na je so ɗai so biyu na ga akwai yara sosai ƙanana masu goyo wanda su ba su wuce eh, shekara sha biyu zuwa sha uku da goyo muna zuwa muna kwatanta mu uwaye da a daina wannan yi ma yara arman gaggawa. irin wannan da na yara kanana wanda da yawa wani sun bar gidajen su kuma har can bangaren ma akwai biya mata ma wanda wasu sun baro gidajen nasu saboda irin wannan matsalolin da kuka gida auren dole da sauransu mm-hmm. kuna samun su ya ne kuke jere kenan kake to irin wannan misali wanda yara su hito gidansu ko na titi yara na bisa titi da ina da yara abokanin aiki da muke zuwa eh, mu yi planning cikin sati so ɗaya zuwa biyu mu je tasha akwai wani sallai da suka yi can muke zuwa yawwa mu tattauna tare da su mu saurari menene matsala menene yasa su hitowa cikin gidajensu menene ke damuwarsu za ku ji wa'ansu suna ani ba a kula mini ba ni lakwal nake son koma ni armi aka min kaza kaza sai mu tattauna mu gani menene ya kamata mu mu kawo muna neman uwayen mu kwatanta musu da hitawan gane na yara bai cancanta ba nauyi ne da ya rataye gare su eh, da iko Allah kuma bayan wannan abubuwa da muka yi an samu da yawa yara wanda sun samu sun koma lakwal an samu wanda eh, sun koma gidajensu wa'ansu kuma sun bi motoci sun zama karamin mota da albarkacin wannan tattauna da muke yi da su. To su ne ne a aikin ku haka? To masu kama muna akwai shiod canada suna tahiya su yi bincike ko kuma in an kire su suna zuwa su ce muna ga yara da aka ci ma kamar yin na kamar yanzu ya ne collaboration kin mm. mm-hmm. ku take da justice ya ne collaboration kin ku take da da gendarmerie ya ne collaboration kin ku take da police kuke mutane su gane yanda kuke tafiya da aikin abu kawa police for example police uh, akwai yara yan gudun hijira wanda suke hitowa yara kankana da suke hitowa daga Nigeria suke hitowa wata ran daga Alger babu da inda ba su hitowa in sun zo akwai brigade de mineur da kenan sai su kire mu directrice akwai yara kaza cikin mota kaza za su zo lokaci kaza zan je wajen su mu kilga su mu ɗauki su mu tattauna mu ji kowane na wani gari ne tare da kokarin su su abokanin aikin namu za su sa su ga mota ga hannun polisai yan uwansu a samu a maida su gidajen su tunda mu nan direction ba wani karhi gare babu mota babu abu kenan su ne muke raba gare su mu samu mu yi aikin namu yadda ya kamata C'était un entretien réalisé par notre reporter Assoumana Aboubakar, un reportage à Madawa. Avant de poursuivre avec la seconde partie de notre entretien, repartons en musique, Mariam. On change de couleur à musical cette fois-ci en quittant les styles reggae pour le hip-hop avec, les titres N'y va pas du groupe Dankowa. yamma sai kwai hai ya zo ga burzu dai yamma sai kwai hai ya zo kurmi kuigo rashe kwani baba sana kuigo la pri ko ra henna bebi bebi un Africain remettant la pendule à l'heure. Il est temps de prendre conscience, de tourner d'eau, illusions qui sont la tour de nos souffrances. Eldorado espagnol pour nous, les portes d'azur se Combien de nos frères sont revenus les poches trouées Combien de nos frères de l'océan ils ont péri Combien de nos frères ont été humiliés aux îles Canaries fermer derrière les barreaux, ils sont jamais revenus. N'y va pas, là-bas c'est pas le bienvenu. Ouvrons les yeux, tournons-nous vers ce bonheur que Dieu nous a donné des terres fertiles et bien garnies. Les activités génératrices de revenus, le kona yamma sai koi hai ye zo ka kun tu gai yamma sai koi hai ye zo kurmi pri ko rashe pani baba ga busungu ga mudugu na fini labura gole labura abin ma benu benu yami yamu rutun ga zeki labu wani se bani bani dumi salma tani di a tigite tigite te. kangate min no te ko ni no deze ale kusa di jawdi yeni boba ni ko do tun ko se fondara min woni ne ko ara ne kan kaina pays repose au sein de sa jeunesse. Elle doit pas la quitter, quelles soient les circonstances. La bravoure, le savoir, l'innovation. Ce titre, cher auditeur, vous l'aurez compris, parle de la migration irrégulière. La migration irrégulière qui conduit certains jeunes africains à la mort en traversant le désert ou l'océan. Dans ces morceaux, Donkowa attire l'attention des jeunes africains sur l'importance des richesses chez soi afin d'exploiter les richesses de la terre. Car la terre ne monte pas. La Pas du groupe de rap Dankoa, poursuivons avec notre entretien du jour. Hormis l'appui de la police, la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Madawa collabore également avec la justice afin de mieux protéger les droits des enfants, notamment ceux en conflit avec la loi. Chez Joujou, eh, yadda muke taya da qui da shi in akwai yara wanda wani sata ko wani hwaɗe wani wane ne yana kiran mu na mu yi mishi bincike na a tabbatar da ya yi ko bai yi ba yanzu mun yi wannan bincike sai mu kai mishi yanzu shine zai diba ya gani ya kamata a kai shi kaso ko ko ka kai shi kaso amma mu muna kokari na a samu a sasanta saboda gidan kaso ba wurin yara ba ne sata abu bai kai bai kawo ba a ɗauke shi a kai shi kaso maimakin a gyara eh, sai ka ga ya koyi abin da ya wanda ya ɗauka. ɗazu na fara shan kuma da sita masu da matsaloli haka cikin harkar da aikin naku wani matsaloli kuke da ne wata tawa gaskiya akwai matsaloli da yawa ku da kanku in kun diba kuka ga yanayin wurin aikin ma in kuka kalla kaɗai ma kun san da akwai ɗan rauni sosai na babu kayan aiki da wurin ma in an ce aiki dole sai da hali sai an saka cikin condition na yin aiki kawai yanzu na jiha bangi da yake akwai tashin hankali wata ana kiran mu a ce an ɗauke yaro an yi alfaman na yaro da gaggawa kuma ana son a ji tabbata haka nan ne ko ba haka nan bane masu eh, hannu da shuri suna kira so da yawa sun sha kira nan. ban iya zabura in tai da bani da abun hawa ban da eh, mota ban da dole sai na bi ta ga hanya hanya in samu in yi kira in ji amma shi inda a ce akwai abin hawan wannan akwai hali na atahi da kai da ya hima ga iyalin nasu su ga da akwai ma'aikata mai kula da kare hakkin yara da ta damu da ta take tare da su wannan yana cikin gaskiya babban matsala da muke fuskanta a cikin yi aikin namu tunda aikin za a yi shi dole sai da hali yara za su zo yara zuwa tara goma in sun zo na harko dai abin da ya kamata mu musu a cidar da su a sai musu abinci kafin a yi saurare su an ɗauko yaro baka san eh, tirajen da yi ba in cika shi da surutu kenan dole ne sai na bashi abinci ya ci hankalin shi ya dawo guda sannan sai mu tattauna wata za su zo baka da wani abu a hannu na ka kula da su inda yana cikin gaskiya abin da ke damuna sosai kamar cikin tsarin da aikin kuna da wasu planification kuna da wasu sensibilisation da kuke yi muna da sensibilisation na waye kai na a san ma ma'aikata tun da yawa ba san da ainihin zaman ma'aikatan ba bayan shekara ɗaya haka zuwa biyu ne naga sun fara dan hankaltarwa akwai madan kaza kaza da hita da muke yi suna ganin mu tasha tare da yara wannan masu shaye-shaye su luwo ma da a ah, ashe akwai ma'aikata ma mai kare hakkin yara akwai ma'aikata mai kula da eh, yara muna so mu yi eh, waye kai shi ma hucewa eh, gundumar madawa shi ma sai da hali sai an shirya na a samu a wayar da uwaye da kai da arman gaggawa wannan da suke ma yara ƙanana bai cancanta ba. To kamar kuna da wani kira haka da za ku yi? Kiran da nike yi shine na a kama muna da sa mu cikin condition na aiki na saboda aikin namu ya ta yi daidai saboda yau gaskiya ina jin nauyi komsheriya ko gendarmerie ko justice su kire ni wance muna aiki kaza in ce musu a ah, na kasa saboda dalilin kaza su ba su ganewa tunda ma'aikata ce ta gwamnati bai kamata ba a ce abun mai ma na zan ma dete na yaro ya ta yi a jan ya ta yi an shi ba mu da shi kenan shi dai ne nake so a samu cikin condition na aiki yayi saboda babu mu aiki yana da wuya ba a ca bai yiwa amma yana da wuya tunda muna da niyya na mu yi aiki C'était un entretien réalisé par notre reporter Asuman Aboubakar, un reportage dans la région de Tawa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, il est 11h23 et vous êtes bien sûr l'émission L'émission Le Niger sur Kalangu, animée par Rabia Mekano et Maria Made. C'est l'heure de la rubrique Santé à présent. Oui, cap sur la commune de Courteil, département de Tilabéry, où nous irons voir comment fonctionne le centre de santé. Il est situé sur une île appelée Assanigungu, mais ce dernier est confronté à une insuffisance de personnel soignant. Pour en savoir plus, nous vous proposons d'écouter Madame Rabi Issa, chef de la structure de santé CSI Assani. Elle est au micro de Omar Hamma. Madame la responsable du centre de santé de Assani, comment vous exercez vos travaux ici dans ce centre, le CSI même a été créé en 2003. On n'est que deux agents. On travaille ensemble. L'un, parfois, il est côté curatif. L'autre est côté préventif, ainsi de suite. On est en train de roter. Parfois, il est dans le curatif. Parfois, l'autre est dans le côté préventif. S'il y a accouchement, je travaille avec un nom. la majorité d'accouchements c'est moi qui exerce ça. Sauf en cas de cas, à mon absence, il est obligé de le faire. Et quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez ici en exerçant vos travaux, puisqu'on sait que ici c'est dans une île. En cas d'urgence, comment vous faites En cas d'urgence, vraiment il y a des difficultés. Vu la distance par rapport à Tilaviri, il y a des difficultés même au niveau de l'eau. Il y a des hippopotames partout pour évacuer un patient vers le niveau supérieur, c'est tout un problème. Les difficultés même, les personnels même sont insuffisants. On n'est que deux personnes qui travaillent matin et soir, sans repos, surtout dans le cas du palu. On est toujours sous pied. On a vraiment besoin d'un autre agent, surtout une sage-femme. Madame, ici, quelles sont les maladies les plus fréquentes Donc, Les maladies les plus fréquentes ici à Assani, c'est en fonction de période. Maintenant, c'est la période froide. On fréquente les tourumes pneumonie. Rare, on trouve le cas de diarrhée, mais il y a quelques cas aussi de palu. Malgré la fraîcheur, il y a le moustique. Et comment vous traitez toutes ces maladies, madame Toi aussi, c'est un tourume, On le traite avec citron et miel dans un eau tiède pour le tourume. En cas de pneumonie, s'il y a une forte fièvre, on casse la fièvre, on donne antibiotiques. Pour la diarrhée, on traite en fonction du SRO zinc. Tout de suite, vous avez évoqué problème des sages-femmes. Est-ce que les femmes enceintes euh, viennent ici Oui, les femmes enceintes viennent. Malgré qu'on n'est pas sage-femme, on joue le rôle de sage-femme et des infirmières. On fait la CPN, on fait l'accouchement. Les femmes viennent tout le temps. C'était une interview de Omar Hama à la responsable du CSI, Hassani Gungu. Mariam, repartons en musique. Oui, Rabi, avec les titres Calmaté de Elsa en featuring avec DJ Taf, un son extrait de son album Bénédiction sorti récemment. tibimi dirgogina nagaloriga kweno nate mante ai tokan mate mate sayo o mate irkoi bai kan mate mate sayo o mate irkoi bai kan mate mate sayo o mate irkoi bai kan mate mate sayo o mate irkoi bai no gandiga bai kalwai bargajere ine ine ine bubai filana ne ine ine zinan kuliki koi ine Çoron da choro. munafiki gidan çara Yeni beyga, yeni beyga Yeni beyga, munafike iri beyga Iri iri Iri iri La boy Je vais vous faire bouger. bouger le rapport est rouge, les ennemis ont les rouges. Ah, il dit que au Cali Farga. Kasi ba ay ay si bara. Ine ay mansale. Zenga kay na kangalala. Kasi ba ay mabay si Elsa. Inda je mastata. Jogani na yazo. Yazo ya iPhone lala ni gogadiya. Ni ne mate. Windibe romo ni gogadiya. Mate Range Rover romo ni gogadiya. Mate ni ne. Mashiri hannamu ni gogadiya. Isibi mi Maria touch la fagana. Samuno gane mantina. These endless jibini dil godina ya la joie ya kweno na te mamte ay to kalmate mate sayo mate dil koy bay kalmate mate sayo mate dil koy bay kalmate mate sayo mate dil koy bay kalmate mate sayo mate dil koy bay dagra ilka bas kan majasi damfanaya fana ya go propre aine fantage ali yarima

C'était Kalmate de Elsa en featuring avec DJ Tafa. Vous êtes de passage ou résident à Gadeza. Vous suivez l'émission Le Niger sur Kalangou sur la radio Nomada 101.1 9 S, Merci à la grande famille de nos radios partenaires. Restons toujours à Gadez pour danser cette fois-ci au rythme du Tandé. Nous allons découvrir cette musique ancestrale et son importance pour la communauté touareg. À la base, le Tandé, l'instrument est joué pour mettre l'ambiance lors des retrouvailles, mariages ou baptêmes, mais sert par ailleurs aussi à renforcer la cohésion sociale entre les populations. Reportage d'Anissé Karim rendu au studio par Fika Taher. Le tendé est fabriqué à partir d'un mortier couvert avec la peau de chèvre et cette dernière est tendue de part et d'autre grâce à deux bâtons. L'instrument est joué par les femmes à l'occasion des cérémonies de réjouissance. Sa sonorité rassemble les foules même les plus éloignées, explique la cantatrice du tandé abinci da igiyoyi a zo a darmi lokacin da mutane ne suke zama su shi amma yanzu ana iya ciko buhuhuwa da kasa a zo a dora in an dora an darme da an buga shi yana bada sauti mai daɗi to tun ni dai a lokacin da ake yin shi kaga yanzu kamar in ana armi ko in ana suna ko mata masu yin iska ana musu turmi akwai turmi yadda yake ana mara kuma ana buga ta rakuma suna kewaye ana wa. Le tande est accompagné par des chansons qui vont avec le rythme joué et selon les occasions. L'une des plus anciennes est Tandeman qui ne laisse personne de la communauté indifférent. Même les indifférents ont des frissons à l'écoute de la musique, souligne Oumatela. akwai tandaman akwai lakudu akwai bushina akwai tawulanka akwai tandaman akwai elenge to tandaman kin nan ita ce wadda in an yi ta ita ce sai ka ga maza in dai suna wuri za su jikin su ya tashi kamar waka ce wadda yake tana da ma'ana aka fara waka turmi ma da ita ce aka faru wakokin turmi duk inda na mishi dai yake na ra'adi da an buga tandaman ka ga yana karkarwa komin abin shi komin ta kai ya ta C'est la cantatrice qui donne la résonance du temps de tout son charme. C'est elle qui attise les flammes chez les hommes et les amène à danser au Maritza Madutande. Tsohon ga filmi in kaga ya yi daji daga zabiya ne in kuma ya kiya daga ita ne yanzu marauyi ba iya ce ya yi rawa in bai ji zabiya ta ta dame gashin shi ba in ta kiya zabiya shi kenan turmi ba bi in dai muna buga turmi muna cewa adima ma eh, adima ma ana tanda matamu ana tanda rakaba kamar sako ne nake kai Abdrahman Alkabusa ancien danseur explique le rôle du tandé de la cohésion sociale da ake yin shi saboda a kawo shi da tsakanin al'umma gane mu juna a so juna a so zaman lafiya kowa da kowa haka muka taso wa wanda a duk sabaka ta tashi gidan shi to sha ma Allah sai azuti wani aka ce akwai suna yau nan da kwana uku sai taso wa da gidan shi yasa sai ya zo wani kuma an arme da haka sai ya zo mu zai kawo shi bikin gada za ka yi kuma turmin nan ko da kana gaba da mutum in kuka game wannan gaba ta kare kowa sai ba wani hannu wani ka gafa shi ma shi an kare daga nan ma abu ne wanda yake yana sa zumunci sosai. En plus du son, le Tandé représente un moyen de cohésion sociale au sein des communautés Touareg. Reportage rythmé au rythme du Tendé réalisé par Anissé Karim depuis Agadez mais rendu au studio par Rafika Attaher. On se reprend juste après une courte pause pour entamer le sport. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passées de 33 minutes. Vous venez de nous prendre un cours, pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. C'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportive est de la place. Bonjour, bonjour Bonjour euh, Myriam, bonjour Rabi. Alors Gourouza, le taekwondo continue d'offrir des places au Niger pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, n'est-ce pas Oui, il faut noter que cette euh, discipline sportive euh, fait la fierté des Nigériens. Après la qualification de Razak Kalfaga dans la catégorie de 80 kilos, qui va d'ailleurs participer pour la deuxième fois aux Jeux olympiques, et le jeune Noureddin Isaka, l'étoile montante du taekwondo nigérien. Voilà un troisième athlète qui vient de gagner son billet pour les JO de Paris 2024. Il s'agit de Jabri Ide Umaru dans la catégorie de moins de 58 kilos il a décroché sa qualification au Niger pour les Jeux para olympiques Gourouza, l'ancien président de la Fédération nigérienne de cyclisme, a été reconduit à son poste. Oui, Myriam, c'était au cours d'une assemblée générale tenue le samedi que Zachary Gibault, a été reconduit pour la destinée de la petite reine au Niger, une assemblée qui a réuni l'ensemble des acteurs du cyclisme nigérien. Pour ce nouveau mandat, le président Zakari a pour objectif faire participer le Niger aux compétitions sous-régionales et organiser des tournois sur le plan national. Notant que la Fédération nigérienne de cyclisme a créé deux écoles de cyclisme à Niamey et à Maradi qui accueillent d'ailleurs des enfants de 9 à 13 ans. Intéressant ça. Alors, euh, Grouza, alors que la 34e édition de la Cannes vient de s'achever en Côte d'Ivoire. L'attention est désormais portée sur le prochain, sur la prochaine édition avec le tirage au sort du tour préliminaire Maroc 2025. Oui, euh, ce tirage est prévu aujourd'hui, mardi, à 13h GMT au Caire, en Égypte. Ce tour euh, préliminaire, il faut euh, noter, se déroulera avec huit équipes, les moins classées selon le classement de la FIFA, à savoir la Somalie, Djibouti, Sao Tomé et Principe, euh, Tchad, Maurice, le Soudan du Sud, le Libéria et Eswatini. Tandis que les 44 équipes euh, restantes seront exemptées et joueront directement en phase de groupe et les quatre vainqueurs les rejoindront. Les matchs se débuteront en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars prochain. 52 équipes participent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci bien Grouza. À demain pour d'autres infos sportives. Découvrons à présent la star d'aujourd'hui. Notre projecteur est braqué aujourd'hui sur un jeune qui évolue à la radio Garoua de Maradi en tant qu'animateur. Il s'appelle Abdoukarim Ali, plus connu sous le nom de DJ Kaskasa. Son émission sur les rap Nigérien est l'un des plus écoutés de la ville et alentour. Bon, DJ Cascas pour le but euh, au début, c'est juste euh, un surnom euh, qu'on a commencé quand on était des artistes avec mes partenaires. C'est-à-dire quand j'étais élève au CG2, je me rappelle bien, il y avait un couplet de moi qui parle de Cascas Big Badou. Donc euh, dans ce couplet que je chantais, voilà, dans mon groupe qui s'appelle DM, donc il y a une partie où on dit Cascas qui casse les Big Badou. Donc, euh, mes amis, mes partenaires ont pris ce nom Cascas pour m'appeler Cascas. Et aujourd'hui, je m'appelle Cascas. Depuis quand vous avez commencé l'animation ou bien la vie d'artiste La vie d'artiste, j'ai commencé en 2006 à Niamey avec euh, mon grand frère Fonflex, FF Show, paix à son âme. FF Show euh, m'a convaincu dans ce mouvement de rap Niger. J'étais parti pour lui rejoindre avec le temps, donc voilà et je suis devenu animateur artiste. Est-ce que ici à Maradi, la vie de l'animateur, ça promet euh, Dans le passé, non. Quand je suis venu à Maradi après euh, ma formation chez Flex, euh, il n'y avait pas des émissions de rap ici à Maradi. Donc je me suis dit, ah, pourquoi il n'y a pas des émissions de rap. En tout cas, à ce temps-là, il n'y avait même pas des animateurs de rap. Et vu ces problèmes, je me suis dit pourquoi ne pas euh, tenter l'impossible, c'est-à-dire être animateur ici à Maradi, là où vraiment euh, c'est compliqué le terrain le plus compliqué du Niger Maradi. J'ai entamé, j'ai entendu des critiques, des insultes, des, découragements. Euh, j'ai fermé les yeux, je suis parti. Aujourd'hui, je suis devenu animateur professionnel à Garkoa FM. C'est comment la promotion des artistes à Garquois. Ça continue. Et je me suis engagé ici dans ce mouvement et la radio Garquois FM m'a beaucoup aidé. Ils m'ont engagé comme animateur professionnel ici. Je continue à faire la promotion de nos amis. J'ai appuyé beaucoup d'artistes. Ils sont là. Alhamdulillah. Et la promotion continue jusqu'à présent. Qu'est-ce que les artistes pensent de vous Ils pensent de moi un modèle. Pourquoi <laughs> un modèle parce que j'étais là, tous les amis avec qui on a commencé, d'autres sont devenus des fonctionnaires d'État, d'autres sont devenus euh, des employés, d'autres ne sont plus à maladie, d'autres ont déposé le micro et que je suis resté dans ce mouvement, je suis devenu comme un soldat, euh, je travaille fort et tous ces amis et petits frères qui sont avec moi aujourd'hui, euh, sont devenus euh, mes partenaires et ils me voient comme un modèle. Donc euh, je peux dire que je suis un exemple, si on peut le dire. Un dernier mot par rapport à vos jeunes animateurs ou bien artistes. Oui, ceux qui disent que c'est l'impossible, c'est impossible de partir, de percer dans ce genre de choses comme la vie d'artiste ou bien il y a des complications dedans. Ceux qui tentent de décourager les plus jeunes rappeurs ou bien les plus jeunes animateurs d'aujourd'hui, il ne faut pas les écouter Prenez exemple de moi, par exemple, quand vous constatez, quand vous me regardez aujourd'hui, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est bien respecté, on peut le dire. Donc, je marche dans ça, je vis ma vie dans l'animation, dans la vie d'artiste, et qu'aujourd'hui, tout ce que je gagne, c'est à travers cette musique. Donc, j'encourage tous ces artistes. Il faut jamais baisser l'espoir. L'espoir est toujours promis. Un big up à DJ Cascas depuis Garquois FM qui est vraiment aux côtés des artistes et à nos côtés également. Alors, chers auditeurs, pour boucler notre playlist musicale d'aujourd'hui, nous allons écouter le dernier morceau sur la liste. Il s'agit de Tariangé, chanté par Bilal Kate. On écoute. fasa ke na zama na mace ce makai goce na zama na mace ke be mu ai su woce la bizana saci burke mu ma fadara kul su be gidi ke masara ce mu fondo irko sasara irko mirwa e bare ga bakar amai su barkar babi su kan bai sanne ga mokar kan ba dabu wai do kan fata kan sa dabu tabat yes come on be careful people bore mana ces incidents. Proscrivons le mal et tous ces accidents. C'est son être, c'est du pain qui nous réduit. Sa moralité, ça ne Du racisme au tribalisme, de l'ethnocentrisme à l'antisémisme, de l'impérialisme au capitalisme. Le fils d'Adam nous mène vers le cataclysme. N'interromps pas la dignité de l'humanité, renonce à ses calamités n'affligeons pas aux religions les dérogations des fidèles. se monde pourra sa paix, partout la guerre, discrète et tout? Afrikizo, Amerikizo, Europizo, Azizo, Oceanizo, Niganego, Ndunyazo, Niganego, Andamizo, Dirnagamada Kerse, Irisabeke, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, Israël, Palestine, la situation dans le corps, les faux problèmes plongent le monde dans un Les innocents ont l'amour comme emblème. Les faux problèmes plongent le monde dans un dilemme. Les innocents ont l'amour comme emblème. Darien. Satan, right? Tarienge du Big Bilal Kate dit Mariam. De quoi parle le loti d'aujourd'hui Ravi, le loti d'aujourd'hui porte sur la maltraitance des enfants par leur nounou. Selon les témoignages des parents, certaines nourrices à leur absence maltraitent les enfants qui leur sont confiés. Écoutons la discussion entre Fanta Shamsou, Samira Wafi et Maman Ada sur le sujet. hey shanye wannan kokon yanzu zan tura miki shi kuma kika kare mini amai sai na gabza miki mari liya mini bakin ki maza hmm, dama je ina zaman zamana ina zaman zamana ki tashi ki kai kashi cikin wando yanzu zan liƙe ki cikin ɗaki aikin sani sarai ko kin sani sarai me nake ji ne haka kike galla zama diyata an bani nan ya ganya ai wata tara na da hankali kuwa wai madam wallahi tanti mm, mm. tanti haka nan bane tanti ba haka nan bane ba Zainabu haka kike galla zama diyata in bani nan godiya da zaki min kenan bayan duk abin da na miki bola yarinya nan baki da hankali tanti wallahi yau kadai ne yau kadai ne ki hakuri tanti yau sharrin shedan ne yau kadai wallahi baki san girma ba amma na ji kin ce jiya hada like ta ciki ciki daki wai kin raina ni ne ni ko menene Zainabu tanti da Allah yi hakuri yi hakuri tanti ijin Allah da kika kike ta mini yarinya Shirin shi ne wata in na wuto daga wurin aiki sai iske yarinya duk ta bi ta rikice ta shige cin juna ko ko duk ta ya gogwalje ko idanu sun yi ja amma kullun sai ke samu ƙarya da kin mini ko ta faɗi ko wani abu ya same ta ni kuma sai in yarda amma dibo tattara naki ya naki ban so in bude ido ah. in gane ki kuma cikin wannan gida na wa. Ba ai haka ba wallahi ba zan ya ba sharrin shedan ne. Ki saki mini kawamu. Ki saki mini kawamu wallahi ka in tura ki sanadiya in yi wani abin da za a kwashe ki akai gidan likita. <laughs> Subhanallahi madan muke farawa tun da koha ana ta jinku. Makwabci yarinyar nan macijiya ce maciji da kuke ji ana hodi ita ce dibowa da ta rikita mini yarinya. Ta rikita yarinya to me ya faru? na zo na iske ta tana ba ta kashi kuma har nake jin tana cewa ai jiya sanda na tai wurin aiki da yarinyar ta yi kashi liƙe ta ta yi cikin ɗaki ta yi kashi cikin wando kuma tabbata da shi sai da tabbata ɗan karan kashi dan Allah ana iya ma jariri da bai san komai ba wanga abun. <laughs> Inna lillahi wa la'i raji'un a wanga abu da ta yi ai yayi muni. Ke me kike jira ne ki ta daga cikin gidana ba ni so in ga huska ki na ce. <laughs> Ki hakuri ba zan sake ba tanti ba zan sake ba. <laughs> In baki bace mini daga gani ba wallahi Allah za ki buɗe ido ki iske kanki gidan likita. Jam ha diba diba ku yi hakuri madam kwantar da hankalinki. To ke ya an ka wannan abu. Shirri ah. shaɗan. <laughs> Haba amma makwabciya bai kamata ki yanke makanki hukunci ba yanzu abin da ya kamata idan ta yi shari'a ce za ta raba ku. Shari'a inna lillahi da Allah ba su ruhe min bakin nan naki ki bace min daga gani ki bace min daga gidana ba ni so in ƙara ganin ƙwabahuwan gana ki a gidan nan nawa. Wallahi tanti idan kika kore ni babu inda za ni ƙauyen mu nesa ne da shi kuma ba za a ci da na a can ba. Oh kin san da wannan duka ne ki yi wannan abun a shan. na buɗe miki ƙohohin gidana na ɗauke ki kamar yadda na aihuwa ga ciki na <laughs> amma yanzu da kika wanke haka ne godiya da zaki mini kenan kai cala mama ku mata wallahi kuna bani mamaki ya za ku barin gidanku ga wanda ba ku sani ba ha kuma da ɗayan naku kai wani abu sai ku dai mata wallahi makwabci wata abukiya ta ce ta ka mini ita ta ce mini tsohuwa ya aiki makwabci ta ne sai na aza ko mutum ne ya kirki gaskiya sai ku yi hattara ku bar barin gidajenku ga mutanen da ba ku sani ba ai kin ga yanzu abin da ya faru ko gaskiya yanzu di ba ki gani in wani abu ya faru kin san iyayenta ban walla san su ba wallahi makwabci kana da gaskiya amma ka san yan uwan nawa ne daga wanda da da ke zuwa lakwal sai wanda ke aiki babu wanda da dama rike mini yaro dan shi ne wai na doke ta amma daga yanzu zan san cikin hannun wa zan barin dana to haka din ya dai Ke, kina nan har yanzu kenan ko? Da Allah ki ba ni dama ta karshe ba zan sake ba na ce. Ba Allah ya ba ta san kunya ba ki samu karhin wai ba ni hankuri. Ni zan bari kuma ki rayu cikin gidana. <laughs> Dibo, tattara naki yan naki ki hita da kai. Mm, Komseriya mm, ma zan kai mm, Yanzu. A'a, a'a madam, ya eh, hakuri. Kake can ki kaita gidan kaso. Lalle kuskure ne ta yi shi. Kuma na san ta yi nadama. ku bar ni dai in kai ta kwamsiriya ba za ta ƙara bugun wani yaro ba. Tantu <laughs> wallahi ba san sake ba na yi nadama ki haƙuri kuma ni ke ɗaukan ɗawainiyar inna da abba da ɗan albashi na idan kika kula na kasowa zai kula da su ki haƙuri anti ki haƙuri. Madam, <laughs> madan kuyi hakuri tunda dai ta kin ga ta yi nadama kuyi hakuri ko duk ma iyayenta ba ita ba to shikenan makwabci albarkacinka da albarkacin iyayenta zan bari ta tahiyarta amma in ba dan haka nan ba da wallahi yau a kurkuku za ta kwana ba za ta aiki gidana ba kawai ta tattara ta ta bar mini gida. Madan ku da ku hakuri ta yi nadama kina jinta ta yi nadama tana ta kuka baiwa Allah. Ke zo dauke wannan kaya naki. Ku hakuri ku hakuri. Ke yi mazan Allah ki ta yanki zo iyata. Zo iyata ba kuka shi ke albarka. Yay! c'était les lotis du Desk du studio Kalangu. Merci les filles pour les conseils. L'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, Asmana China du Desk Hausa nous vient avec le mot crise. Bonjour. a sakamakon shi mulkin da ya faru a ranar 26 ga watan juye 2023 kasar niger yanzu haka tana fama da matsaloli da dama to saboda haka yau muka zaɓi mu kawo muku ma'anar kalmar matsala wadda ake ce ma kirzi da faransanci matsala dai wato wani yanayi na rayuwa ne mai matukar wahala da kuma haɗari mu ɗauki misali a ƙasar niger yanzu haka bankuna na fuskantar matsalar tattalin arziki wato karancin kuɗaɗe musamman misali na biyu kuma matsala kan iya fidda mutanen kirki a waje wato su bar kasar tasu wadda ke da matsala su je wasu kasashe saboda nema ko wasu ayyuka haka misali kuma na uku ana iya cewa ya kamata a doki matakai kwarara domin fuskantar wato matsalar saboda a samu tsira daga wannan matsala ta tattalin arziki matsala dai wani al'amari ne da ke faruwa a fannoni da dama tana buƙatar muhimmiyar kulawa ta musamman wato idan ka shiga cikin wannan yanayi to amma kuma ita matsala kan iya zama sanadin samun ci gaba domin idan aka ɗauki wasu matakai na jurewa matsalar daga nan za a iya sami fasahar gano hanyoyi da ke hana a sake fadawa cikin irin wannan matsalar kuma wato ma'ana dai a kan makai a ta tsaye eh, har abada a samu wato ci gaba mai ɗorewa daga ta can shirin kina za a iya cewa yau na wato fasarar kalmai da ya mai da hankali akan matsala wato kiris da faransanci to a asuman shi mun gode allah ya kawo na saukin matsalolin namu na yau da kullum Vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Écoutons quelques-uns, quelques-unes de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. yau da abin da muke so al'umma su ji mu dai ba mu hita cikin gari mai tayawa ko ina amma tun da akwai gidan radio duk abin da muke so da mun hidi mun je cikin gidan radio mun ba da wannan eh, sanarwa za ku ji dandanan cikin 'yan mintoci kaf jihar mai yi kowane labarin abin nan kenan mu gidan radio mu abokan aikin mu ne saboda in ba tare da su ba mu ma da abin da muke so mutane su gane ba za su iya gane ba kuma za su iya jin su ba dama haka ma ake so tunda dama da aikin likita in babu gidan radio ba ta yanda ake so da kyau tunda su suke yallaba komi duk abin da ke da cikin likita ana son wani sensibilization rigakai ne ake so a yi ko ma ne dai dole dole ban taba activity kin da ba ba taba so a gidan radio ba yanan shi gidan radio da aiki likita tare suke ta mutane sun gane in kuka lura yanzu mutane suna yawan sauran radio kenan Allah ya ƙara jan zamani wannan gidan radio. Aiwo di yango kan aidi kalanguban zamkir go kan hangan aiwo bon fere bo banana ino. Zamni gaba izawo bumbo bor yango kan wato da isa ba hali izawo iga hayyan tirke gasi. kalango hangano ranu irwo bai kam walla bor yanga bai kan izo dana haikul hayentar ne ko gake ka se loktar kwarun ni ga bai bor yango wono isi faham da duniya wo sam sam amma kalango kirgo ga hangan ir faham da anir no bon ferai bobu anir no ni lilgor sino daran go goro aran mucan no alhaq bur ga alhaku bai ir walla ir ga baram to dangane sai da irwo irin faham dai da duniya gora ira faham jir bafuna matkil ba funa bafuna ti adun yara ira baram tonton ngir wajen bo ni ce halima sa'adu mazamniyan nan arlit to sakon da zan isarwa a studio kalangu shine gaskiya emission inda suke kowane iri ne ma suna burge mu saboda suna kawo mana information kala-kala bisa kan mu sirtu ma bisa kan mata da kasuwanci haka abin yana burge mu sosai gaskiya mun son samu ne a dan kara lokaci balle ma ni da emission ɗin nan ta mata ta hi burge ni saboda emission ta mata duk inda mata za a ce gaskiya ka inda suke ci gaba nan muke so mu muna son a ce mata ga sunan sun san ciwon kansu suna ta ci gaba da al'amuran su gaskiya kenan mun samu a ci gaba da irin emission inga kuma a ƙara lokuta. Ni ne Zanadu a nan Arlit game da shirye-shiryen da kuke a cikin gidan rediyon nan na Kalangu. Gaskiya yana ƙayatar da ni sosai shirye-shiryen naku suna birge ni sosai ina ra'ayin sauraron ku kuma a kowane lokaci. Shirye-shiryen da suke gabatar da 'ya'ya kamar kuɗin aure da suke magana a kai cewar amma uwaye magana a kai abubuwan duka yanayi ne na rayuwa ka shigo dole sai ana sasanta a kansu komi a yi shi yanda ya kamata insha Allah. Faɗakarwa cewar sana'ar da za a yi matashi yana hidda mu kanshi wani abu ba cikin cewar yana nan cikin mutuwa zuciya kullum ya kasance cewar yana neman abin da zai hidda mu kanshi takaici ya zama abin suna aiki da shi ina tunanin a kara shi ni da anawa saboda ina sauraron su ne kuma suna fatagar da ni sosai ina karu a shi Allah da ya bada sa'a Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin notre émission de ce mardi 20 février 2024. Vous étiez accompagné de Rabia Mekano et moi-même, à Maria Made. On se dit à 17h pour notre programme de 2 heures qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. bye. bye.